Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Le syndicat national des agents contractuels d'élevage du Niger a tenu hier 6 novembre 2022 son premier congrès ordinaire. C'était en présence de plusieurs militantes et militants du dit syndicat. Le compte rendu, Zenob Gagara sur les images de nos confrères de la télévision cette cérémonie marque le premier congrès ordinaire du syndicat national des agents contractuels d'élevage du Niger Sinasen, placé sous le thème « La contribution d'un agent contractuel d'élevage au développement économique du Niger face aux défis sécuritaires ». Ce tout premier congrès du 10 syndicat a vu la présence de plusieurs militantes et militants du Sinasen et des secrétaires généraux des syndicats affiliés à l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDT c'est le lieu de rappeler ici que les agents contracteurs de l'élevage se battent jour et nuit aux côtés de nos voyantes agropasteurs, souvent au péril de leur vie, pour un rayonnement du secteur d'élevage, dont la contribution au produit intérieur brut, PIB, du Niger n'est plus à démontrer. Au moment où nous tenons ce premier congrès ordinaire, nos militants enregistrent une cinquantaine de mois d'arriérés de Pékin. C'est pourquoi les SNACEN exigent du gouvernement le paiement immédiat et sans condition de tous les arriérés et péquils à nos militants, l'alignement de nos péquils à ceux des agents du secteur de la santé, les paiements réguliers de nos péquils à l'instar de tous les agents contracteurs de l'élevage du Niger, l'intégration de tous les agents contracteurs de l'élevage à la fonction publique du Niger. C'est le lieu de lancer un vibrant appel à notre centrale syndicale, j'ai nommé l'IDETEN, afin que nos présentes revendications soient prises en charge par le comité interministériel, C'est-à-dire que notre syndicat reste ouvert au dialogue constructif avec les ministères de titel par un partenariat franc et sincère avec comme intérêt général un point de murée. En prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN retire leur accompagnement au SINASEN. L'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN par ma voix s'engage à vous accompagner tout au long du processus de la tenue de votre congrès à travers sa participation dans toutes les commissions qui seront créées. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers participants, en créant ces syndicats, les initiateurs ont bien vu, car c'est un cadre par excellence qui vous permettra de défendre vos intérêts matériels et moraux, d'accéder à la formation syndicale, au renforcement des capacités syndicales, d'échanger vos expériences et de partager sur les bonnes pratiques. C'est pourquoi j'inviterai l'ensemble des participants à ce premier congrès ordinaire à opérer un choix sur des hommes et des femmes disponibles, consciencieux, capables de mieux vous servir au lieu de s'en servir. À l'endroit du gouvernement, nous lui demandons l'appurement intégral de l'ensemble des arrêts, des pécules pour l'ensemble des, des agents contractuels d'élevage sur toute l'étendue du territoire avant la fin du premier trimestre de l'année 2023. J'implore Allah, le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, pour qu'il protège le Niger et son peuple. À travers ce congrès, les militantes et militants du syndicat national des agents contractuels d'élevage du Niger Sinasen ont relevé les multiples défis auxquels ils font face, ce qui va permettre de lutter afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des militantes et militants du syndicat national des agents contractuels d'élevage du Niger Sinasen. dimanche 6 novembre 2022, le foyer Guidan Tambara a organisé un concours culinaire afin de renforcer l'apprentissage de la cuisine pour ses femmes. Plus de précisions dans cette édition. Promesse faite Promesse tenue, le foyer Guidant Tambara a organisé ce dimanche 6 octobre 2022 un concours de cuisine premier du genre qui a opposé six femmes avec six différents plats. En effet, ce concours rentre dans le cadre à appuyer ces femmes de l'art culinaire. Ça fait un mois que la formation au foyer Grand suit son cours dans diverses activités, à savoir l'apprentissage du Coran, la cuisine et de la bonne marche dans la vie du couple en islam. C'est dans ce sens que nous avons décidé de faire à ce concours pour voir ce que ces femmes ont retenu durant cet apprentissage. Une initiative qui a vu le jour grâce à l'appui financier de certains partenaires. Nous remercions nos partenaires pour leur soutien à travers ces sacs de riz, des paquets de lutins et même des tapis dont nous pouvons citer l'établissement Bagadaouda, l'établissement Sahani et l'établissement Tantakusa. Que Dieu nous montre le mois prochain pour lancer encore un autre concours. E, Pour rappel, le foyer Guidant Tambara, situé à l'immeuble de la radio-télévision Tambara au quartier d'Angao, ouvre ses portes à toutes ces femmes qui veulent profiter de leur apprentissage. Agaya le commandi est une bouillie consommée par de nombreuses familles. Elle fait partie de la vie socio-économique de la localité. Suivez plutôt cet élément du studio Kalangu. komandire ike chiwali batijo fongo na gigo pa ifali ha ugidi da komandire sina hanaje ba haimo ro nonga ni gadan di da mai kuna kakwai wo dan di wo da dan wo ni kan tun su su don kan mana ki sabo ba sai wo wundi so ya kan gangai bombai bara su biya kan tun su su no komandire sina komanda ni ga alkirkanda ba hani ga kwai don wari fo kan ga wanga mi ga gina kadan gai gunda ya gina iwo i komando wo samo ki gote asin da zando nasema tumona hivyo gati kama ndivyo muko vona kama ndivyo no kai ingate ikase sasa kama ndi kai ni fallankano amma sasa kama ndi no ganda kama ndi wele nga fai afo vona gati bosai wani kuma Haini sallan kano amma ifai eh, a na gono Haini dai ni gate din na duru iga hayno zambo iga da mara ina wa hay kudi wisu da mara komandi dai ni amma i wo so ho i komando wo ngo wo yi lo yi ina wo ba wo bitali ni na boro wo tere iga ne amakado igo komando din kan sin da haykulu ina no ina ga ba ama ha mu komando ba tigi ga wo ne yanke iga dan hari ka kwanda masin ka masin kalama nini ina ka ga ko da a kanu ima har mora sabo ka ga ima kuso da ke ka awi bafo ya gone iga yazi iga dan kitafu iga dan hancin kado iga dan kansi iga margu dan haino hawo magani bafo mu su haiku da mara ya dinda yi ga hau za a yi zankatara go iga mai sintin za a iga haini fangala ne da dala gobe na iga kuma dite ka ne wa habo mega inan di masa da fokun ka kaso so kala haya goga tonton ise gumo gumo isi ga di masa da fokun Allah ya yi ga to da lagu gun kali ka da lagu ruwai kala so hawo waran ka waran ka ne de presse a animé ce matin 7 novembre 2022 au ministère de la Justice. Un point de presse organisé par le dit ministère par rapport à la participation du Niger devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Bonne réception et à bientôt. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe de traité qui a été créé par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été adoptée, ça fait 35 ans aujourd'hui. la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a créé un organe de traité qui est appelé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est composée de 11 membres, 11 membres qui sont élus par l'Assemblée générale des chefs d'État, membres de l'Union africaine. Ces 11 membres sont élus pour un mandat de 4 ans. le rôle de cette commission, c'est de recevoir les rapports des différents États partis. Tous les États qui ont ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont l'obligation de rendre compte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples des mesures qu'ils ont prises, que ce soit les mesures d'ordre législatif, les mesures d'ordre judiciaire, les mesures d'ordre administratif, les politiques, les programmes, les plans, etc. Ils ont donc l'obligation de rendre compte. Le Niger était à l'honneur au cours de cette euh, session de la Commission africaine, le Niger est le seul pays d'Afrique, parmi tous les 53 pays qui sont membres de la, Commission africaine ou de la Charte africaine, il n'y a que le Niger qui est à jour dans la soumission de ces différents rapports devant la Commission africaine. Le Niger est actuellement à son 15e rapport qu'il a soutenu en avril 2021 et il doit soutenir le 16e rapport en avril 2023. Il y a des États qui ne sont même pas à leur deuxième ou troisième rapport. Donc ça, ça a été salué de vive voix par le président et tous les membres de la Commission africaine pour cet effort qui a été fait par le Niger. Le Niger a été cité comme le seul pays, le seul pays d'Afrique qui a ratifié la convention de Kampala sur les déplacés internes et qui a pris une loi pour internaliser cette convention. C'est la loi numéro 2018-74 du 10 décembre 2018. Ensuite, notre pays a été cité comme étant le premier pays à avoir signé le protocole à la charte africaine sur la sécurité sociale et la protection sociale. La signature a été faite tout récemment à marge du sommet des chefs d'État d'Afrique au sommet de Malabo au mois de mai 2022. La signature a été faite à cette occasion. Le Niger est l'un des rares pays, ils ne sont pas encore une dizaine de pays, qui ont signé le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes handicapées et le protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes âgées. Et nous sommes là parmi les tout premiers pays qui ont signé ces deux protocoles. Ensuite, le Niger est le seul pays d'Afrique à l'heure actuelle qui a totalement enlevé la peine de prison pour les délits de diffamation et d'injure lorsqu'ils sont commis par voie de presse ou lorsqu'ils sont commis par voie électronique. Vous êtes témoin, il n'y a pas très longtemps, l'Assemblée nationale a adopté une loi, c'est la loi numéro 2020 et 30 du 23 juin 2020 qui a modifié la loi de 2019 sur la cybercriminalité. il n'est pas possible actuellement, en tout cas, du point de vue de la législation nigérienne, de mettre en prison pas seulement le journaliste, hein, quiconque, par voie de presse ou par voie électronique, commet une injure ou une diffamation. Ça a été relevé par la Commission en présence de tous les autres pays et c'était un point très important qui a été marqué par notre pays. Le Niger a aussi été félicité comme étant le quatrième pays africain à avoir adopté une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Là aussi, vous vous rappelez que le 20 juin 2022, notre Assemblée nationale a voté la loi numéro 2022-27 du 20 juin 2022 portant droit et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme. Et ce qui a été le plus salué par la communauté internationale, c'est le fait que dans l'élaboration de cette loi, le Niger ne l'a pas fait seul. Le Niger a associé la société civile. C'est la société civile même qui a fait une proposition au gouvernement. Leur proposition a été discutée, amendée, puis validée avant d'être transmise au Conseil des ministres et au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le Niger seulement qui a eu cette démarche d'associer la société civile et d'ailleurs, même au niveau de la rédaction de nos rapports devant les organes de traité, l'État a toujours associé la société civile et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, ils sont avec nous. Quand il s'agit de défendre l'intérêt de notre pays, nous faisons qu'un entre l'État, la CNDH et la société civile. Ensuite, le Niger a été salué aussi par rapport à deux autres textes de loi non moins importants qui ont été pris. C'est le texte de loi sur euh, la torture la loi numéro 2020-02 qui a été prise par l'Assemblée nationale sur proposition du gouvernement et qui incriminalise la torture, qui protège donc les citoyens contre la torture, que ce soit commis par un agent de l'État ou par un particulier. Et en application de cette loi, l'Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement, a aussi pris une autre loi qui a modifié la loi de 2012, 44 sur la CNDH, et qui a institué un mécanisme national de prévention de la torture qui est confié désormais à la CNDH. C'est-à-dire que au regard de cette loi, la CNDH a le droit d'aller partout sur le territoire de la République, partout où elle a des informations qu'une personne est en train de subir ou a subi des actes de torture, elle a le droit d'aller, même si c'est dans une maison privée, vérifier, enquêter et déférer les individus devant la justice lorsqu'ils seraient reconnus coupables d'actes de torture. Si une convention est ratifiée, c'est pour qu'elle soit mise en œuvre. Et c'est ce que le gouvernement, l'État du Niger est en train de faire. Ce n'est pas seulement au niveau africain. Au niveau des Nations Unies, le Niger a ratifié jusqu'à neuf conventions qui sont dites les conventions fondamentales en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Et ces conventions aussi ont créé, à l'instar de l'Afrique, elles ont créé des organes dits organes de traité, devant lesquels l'État se présente périodiquement pour rendre compte de ce qu'il a fait pour mettre en, en exécution les dispositions de la Convention, a battu le record de participation des États. Nous avons arrêté 115 États qui avaient pris la parole. Et ça démontre l'intérêt que la communauté internationale porte à notre pays. Ils ont pris la parole, soit pour féliciter le Niger pour toutes les avancées que nous avons arrêtées, soit pour faire des suggestions ou des recommandations au Niger. Nous avons arrêté jusqu'à 254 recommandations. Mais sur les 254 recommandations, il y a six recommandations que le gouvernement n'a pas acceptées et ce sont des recommandations qui sont relatives aux droits des personnes dites homosexuelles. Le Niger n'a pas accepté cela. Donc le Niger ne peut pas, n'entend pas légiférer pour mettre euh, fin à certaines rumeurs qu'on entend par-ci, par-là. Le Niger n'entend pas légiférer pour reconnaître les droits des personnes homosexuelles au Niger. La preuve, il a rejeté toutes les recommandations qui ont été faites au niveau de l'examen périodique universel au mois de septembre 2021. Quel avantage ça peut apporter à notre pays D'abord, le respect des droits de l'homme est devenu maintenant l'un des critères d'octroi de l'aide internationale. Et c'est le premier critère de fréquentabilité des États. L'État qui ne respecte pas les droits de l'homme n'est pas fréquentable. L'État qui ne respecte pas les droits de l'homme ne va pas attirer les investisseurs. Il ne va pas attirer les barres de fonds. Le Niger ce n'est pas le cas. Tous les rapports du Niger qui sont présentés devant les organes de traité, les présentations sont faites en présence de toutes les organisations internationales, en présence des bailleurs de fonds et qui ont toujours apporté leur soutien à notre pays. Ce point de presse que nous avons décidé conjointement d'animer avec le ministère de la Justice et les acteurs de la société civile qui ont pris part à la session, c'est d'abord effectivement euh, pour donner, parler de la même voie de ce que nous avons constaté comme avancé. Et c'est dire qu'il euh, y a des choses à s'allier. Évidemment, après les éléments d'explication fournis par le président du mécanisme national, il est important pour nous de souligner euh, deux événements. C'est d'abord, il faut dire qu'au niveau de la, de la commission, ça a avec les événements qui sont survenus dans, notre pays, notamment au niveau de Bani Bangou. Et à l'occasion, euh, notre président, M. Mati, a quand même fait faire une minute de silence à la mémoire de, de toutes les victimes euh, du terrorisme dans notre pays et à travers le monde aussi. Euh, au-delà de cela, il faut dire qu'effectivement, le Niger a été s'allier pour le fait que le mécanisme national de prévention de la torture a été officiellement accepté, pris par le Niger et confié à la Commission nationale des droits humains qui doit jouer le rôle désormais du mécanisme national de prévention de la torture. Il faut dire aussi que nous avons été saliés euh, parce que en 2017, la Commission nationale des droits humains du Niger avait eu son accréditation au statut A avec euh, six éléments de réserve. Presque huit ans après, la commission devait faire face à cet exercice. Et Dieu merci, peut-être que vous l'avez suivi, le 6 octobre passé, nous avons présenté et soutenu le statut A pour la réaccréditation. Et Dieu merci, le a été réaccrédité cette fois-ci avec deux réserves, dont qui porte l'autre sur euh, la question de la représentation des femmes au niveau de la commission et l'autre euh, sur euh, notre capacité à, à faire suivre nos recommandations. Vous savez que la commission étant une institution, qui, après les investigations ou des traitements des plaintes ou autre chose, fait des recommandations. Et effectivement, la loi dit que on doit donner suite favorable aux recommandations de la Commission. Le constat était qu'il y a eu beaucoup de recommandations pour lesquelles on pense que nous devons avoir plus de mécanismes pour les suivre. Je pense que c'est là les deux événements Globalement, il faut dire que l'autre chose, c'est que évidemment, nous avons été un modèle, la CNDH l'a toujours été un modèle, par rapport à la collaboration avec la société civile et même l'État. Parce que tout ce qu'on peut dire, nous sommes chargés de dire la vérité à l'État, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas de l'État aussi. C'est une institution de la République, mais qui, de par les fonctions, doit dire à l'État ce qui va et ce qui ne va pas. Donc je pense que c'était ça qu'il fallait dire à l'opinion nationale et internationale. Le Code fait partie des organisations qui coopèrent et qui dialoguent avec les organes des traités, y compris eh, l'organe de la charte qui est l'examen périodique universel EPI. Et nous sommes ici par rapport euh, à un organe africain, la Commission africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple qui instaure la Commission africaine. C'est également parce qu'il est dit Lorsque l'État fait des efforts, il faut reconnaître les efforts. Lors de la soumission du 15e rapport, le Code et un certain nombre d'organisations de la société civile accompagnées par International Commission of Jurists avaient soumis un rapport. Et dans ce rapport, nous avions demandé qu'il soit recommandé à l'État parti du Niger de légiférer pour protéger les défenseurs des droits de l'homme, de déposer sa déclaration en vertu de l'article 34.6 du protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple permettant aux individus et aux jeunes d'ester les États partis par devant cette Cour et également de prendre des mesures pour qu'il soit instauré un mécanisme national de protection de la prévention. Et nous nous réjouissons que le Niger ait légiféré pour protéger les défenseurs. Nous profitons effectivement de cet état pour, pour faire un plaidoyer pour que soit pris en compte le mécanisme de mise en œuvre de cette loi. L'autre aspect, comme je le disais, c'est la déclaration. Le ministre des Affaires étrangères a déposé par devant la Commission africaine et l'Union africaine la déclaration du Niger pour dire que désormais, lorsque nous ne sommes pas entendus au niveau national, nous pouvons, soit de manière individuelle ou par les ONG, que l'État du Niger par devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Je pense que c'est une avancée. Il faut remercier également l'État parti du Niger pour cela. L'autre aspect, c'était le mécanisme. Mettre en place un mécanisme pour prévenir la torture. En son temps, le Niger avait dit nous n'avons pas le moyen. Nous avons dit ok, nous, avons une proposition. C'était de confier, en élargissant le mandat de la Commission nationale des droits humains pour attribuer le mécanisme à la Commission nationale des droits humains. Ça a été fait nous exhortons la Commission nationale des droits humains à faire en sorte que la torture soit prévenue dans les lieux de privation des libertés et surtout les champs. Le Niger est encore, depuis le euh, la nuit des temps, un laboratoire expérimental sur le partenariat entre les OSC et l'État. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits humains, qui avait toujours sa porte ouverte aux organisations de défense des droits humains et le ministère de la Justice, nous sommes organisés un groupe très expérimental au plan international et africain. Nous avons été très en euphorie. Le Niger qui était toujours apprécié au rang de tous les États, le président l'a dit, il faut être fier. Un pays qui est le premier en Afrique parmi 50 et quelques pays être à jour sur le dépôt des rapports alternatifs. En tout cas, on fait un grand travail. Et nous avons la fierté d'avoir des techniciens de nos ministères et de nos institutions qui font en tout cas le, bon travail qu'il fallait beaucoup apprécier. Aujourd'hui, le Niger est en train dans le bateau pour réviser le code pénal et le code de procédure pénale. Il faut dire même une refonte totale pour que ces codes riment avec la réalité nationale, qu'ils ne soient pas comme les autres le disent, copier-coller. Le Niger a actuellement 11 condamnés à mort, il faut le regretter, dont malheureusement une première femme âgée de 31 ans. Le Niger est en train d'avancer dans l'émergence du respect des droits de l'homme en milieu carcéral, nous en témoignons. Le 18 juillet passé, nous étions à la maison d'arrêt de Niamey pour porter à la connaissance du public ce que les avancées que le ministère de la Justice et la Commission en des droits de l'homme en train de faire pour l'émergence et les bonnes conditions de vie en milieu carcéral. Nous avons aussi euh, l'environnement abolitionniste que nous percevons au nom du mouvement abolitionniste national. Mon précédent l'a dit, sur la torture, nous avons le MNP, nous avons euh, la loi sur la protection des défenseurs des droits humains que nous souhaiterions, euh, après cette table de séance, qu'il y ait vraiment une accélération pour son application. Nous sommes encore très ravis que le Niger est dans la bonne posture pour le vote, Inch'Allah, en décembre prochain, sur le vote du moratoire sur les exécutions. L'adhésion du Niger au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international des droits civils et politiques, l'OP2. Ayant confiance en notre, pays, nous étions fiers devant cinquantaine de pays. Le Niger était applaudi, le Niger était avancé. Nous ne pouvons qu'exhorter nos institutions et nos, autorités à encore emboîter le pas sur euh, l'émergence du mouvement mondial sur le respect des droits humains. spectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Sat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27500.